le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum en ce moment, c'est grâce au, réseau des radios des 20 radios partenaires du studio Kalangou, basé dans tous les chefs-lieux de région du Niger, ainsi que dans les localités d'Arlit, de Tirozerine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filingué, Birningaure, Dolbel et Saï. Toutes ces radios diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Vous pouvez aussi nous suivre sur, la toile à travers notre page Facebook Studio Kalangou ou sur notre site web www.studiokalangu.org le streaming Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'édition Forum du Studio Kalangu que j'ai le plaisir de vous présenter. Le Forum du Studio Kalangu, c'est chaque soir du lundi au vendredi. Le forum de ce soir porte sur l'impasse dans laquelle se trouve l'école nigérienne face aux grèves répétitives des enseignants d'une part et celles des scolaires d'autre part. À quel niveau se trouve le blocage du côté du pouvoir, de celui des syndicats des enseignants ou encore du côté des élèves Comment trouver une solution urgente pour finir l'année scolaire avec un niveau d'exécution du programme acceptable Quels sont les compromis que les uns et les autres sont prêts à faire dans l'intérêt de l'école publique nigérienne Ce sont là, entre autres, les quelques interrogations pour lesquelles nous espérons trouver des réponses sincères avec nos invités présents dans ce studio. Autour du plateau pour en discuter, nous sommes avec euh, Alio Hassan Samna, co-coordinateur de, de, la convergence d'action unitaire des syndicats de l'enseignement Cause Niger. Bonsoir Alio Hassan. Bonsoir. Et merci d'être venu. Merci aussi de m'avoir invité. Et Mansour Adamou, qui est chargé de communication du SNEN e et membre de la FUSEN, la Fédération unitaire des syndicats de l'enseignement du Niger. Bonsoir Mansour Adamou. Bonsoir monsieur. merci d'être venu. Merci à vous. Nous attendons d'un moment à l'autre Kassoum Issa, secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement secondaire. Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'année scolaire 2016-2017 est une année qui a été particulièrement marquée par des mouvements de grève aussi bien des scolaires que des enseignants. Pour les uns, les questions d'allocation, de bourses ou de construction de classes constituent les revendications phares. Pour les autres, le paiement des salaires et que la terme échu, l'attribution des matricules et le recrutement sans concours de nouveaux enseignants à la fonction publique sont entre autres revendications. Par moment, des négociations ont abouti à des accords entre les différentes parties permettant des accalmies temporaires. L'on se souvient que l'un des accords phares entre le comité interministériel chargé des négociations et les syndicats est le protocole d'accord du 13 décembre 2016 signé avec la coalition Cause Niger-Sinaseb. Dans cet accord, le gouvernement s'est engagé à payer les salaires des contractuels à terme échu, à octroyer des matricules à l'ouverture des recrutements au titre des années 2015-2016 et le démarrage des travaux du comité paritaire sur la grille spéciale pour les enseignants. Cependant, malgré, le premier malgré cet accord, le premier trimestre de l'année 2017 a vu s'accroître le nombre de grèves. Actuellement, la coalition Cause Niger-Sinaseb observe une grève de six jours qui fait suite à une autre exécutée la semaine passée. Et pour cette euh, dernière euh, mot d'ordre, la, coalition a été assignée par l'État du Niger euh, en justice pour grève illégale. Le procès qui devait avoir lieu ce matin a été reporté pour demain alors, euh, je m'en vais commencer euh, avec euh, vous, Aliou Hassan Samna. Vous êtes donc le co-coordinateur de la coalition de, de cause Niger. pourquoi cette persistance des, grèves toujours dans le secteur de l'éducation Bien, merci. persistance des grèves, grève aujourd'hui, grève demain. cela est vraiment tout à fait révoltant et curant et cela est tout à fait, eh, il faut le dire, regrettable, eh, dans la mesure où, eh, vous l'avez dit tout à l'heure, l'école publique nigérienne cette année particulièrement s'est retrouvée dans une situation où, sincèrement, il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup de mouvements. Et tout le monde le sait, les mouvements, que ce soit les mouvements des enseignants ou les mouvements des élèves, ils ont toujours un impact sur la qualité Or, nous, en tant qu'organisation syndicale des enseignants, nous œuvrons également pour la qualité au niveau de l'école. Mais si au niveau euh, euh, de la synergie cause niger sinasem euh, nous, continuons à maintenir la pression sur le gouvernement de la 7e République, c'est simplement parce que des engagements ont été pris le 13 décembre 2016 et ces engagements ne sont pas toujours honorés. À la date d'aujourd'hui, aucun point n'a eu une satisfaction totale je vous le dis sincèrement, puisque euh, le premier point qui consistait à payer euh, les arriérés euh, des pécules et le paiement des pécules à terme échu traîne encore. Aujourd'hui, nous sommes le 11 du mois. Il y a encore des enseignants qui attendent leur pécule du mois passé. Donc, vous voyez, nous ne pouvons pas accepter que cette situation puisse perdurer. Et d'ailleurs, si ce n'est pas au Niger, est-ce que, après avoir travaillé pour avoir sont dus on a besoin d'aller en grève. Nous disons véritablement non. Nous allons revenir à vous. Le temps de donner la parole à Mansour Adamou, qui représente ici le SNEN, e le syndicat national de, l'enseignement du Niger et également membre de la FUSEN. Et Mansour Adamou, euh, d'autres raisons qui euh, font persister euh, la grève des enseignants au Niger, perturbant du coup l'année scolaire en cours non, au fait, euh, il n'y a pas autre raison que ce que l'ensemble des syndicats du secteur de l'éducation, donc euh, euh du point de vue enseignant, avait déjà euh, énuméré au début de l'année. D'ailleurs, ce n'est pas au début de cette année, c'est des vieilles revendications. Et c'est derrière toujours ces revendications que nous courons et il n'y a pas une autre raison autre que celle que l'on veut coller à notre mouvement, qui n'est qu'un mouvement qui réclame en tout cas les euh, justes et légitimes revendications des enseignants. Euh, l'avait dit, depuis en tout cas le 13 décembre où nous avions signé un accord, nous avions osé espérer que le partenaire d'en face euh, à toute la latitude et tout le temps de respecter les engagements auxquels il a souscrit, mais on se rend compte que plus on avance, plus il y a du recul. Donc il n'y a euh, aucune euh, autre raison autre que la revendication de nos euh, droits. On se rappelle qu'à un moment, la question de l'évaluation des enseignants a été a constitué aussi un problème majeur oui, bon, au fait, euh, l'évaluation, parce que vous savez, il ne faut pas seulement voir l'évaluation, mais il faut voir euh, beaucoup d'autres mesures euh, qui sont intervenues au moment où les syndicats d'enseignants sont en train de réclamer leurs droits. Et nous, nous mettons l'ensemble de ces, de ces situations au moment où nous luttons, car l'ensemble de ces situations qui sont intervenues, nous les mettons juste dans le compte de la diversion. Souvenez-vous quand même, euh, euh, toujours au cours de cette même année scolaire, le ministre en charge de l'enseignement primaire avait sorti une lettre circulaire dans laquelle il euh, demandait ou, si vous voulez, il attribuait la gestion des enseignants contractuels à, aux Aux mairies ce qui a été rudement attaqué par les syndicats des enseignants aussi il est sorti avec euh, cette euh, affaire d'évaluation, somme qui est toute euh, légitime parce que nous, au niveau donc de l'ensemble des syndicats de l'éducation, nous avons dit que ce n'est pas une chose qui est mauvaise en soi, parce que la qualité de l'éducation, il faut qu'il y ait une bonne qualité de l'éducation pour que le partenaire d'en face nous respecte en tant qu'enseignant, en tant que partenaire qui, je dirais, satisfait au contrat auquel il a souscrit. Mais il faut le dire, mais de là à dire que la forme dans laquelle cette évaluation va se faire, euh, elle doit se faire selon en tout cas ce qu'ils veulent, nous pensons que ce n'est pas bon. Mais l'ensemble des syndicats avaient marqué leur accord pour que cette euh, évaluation ait lieu, mais qu'elle ait lieu dans le respect des textes et règlements de la République. Il y a aussi de l'autre côté ce, que vous n'avez pas évoqué, c'est la chasse euh, aux faux diplômes. C'est toujours euh, à l'intérieur de ça, mais ça aussi tous les syndicats ont dit que oui, ils sont, ils sont Mais quand même, il y en a, on, reconnaît quand même qu'il y en a un certain nombre d'enseignants qui exercent, mais qui n'ont pas de qui n'ont ni les niveaux ni les euh, comment ni les diplômes requis. On le sait, mais qui l'a amené là Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas un problème si l'État veut euh, euh, arranger ce qu'il a, fait pendant des années, mais qu'il le fasse dans la règle de l'art. Et euh, je rappelle que nous attendons d'un moment à l'autre le représentant de la partie gouvernementale dans ce débat, en l'occurrence Kassoum Issa, secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement secondaire. Alors, euh, Aliou Hassan Samna euh, de la cause Niger, euh, où se situe actuellement le blocage Quels sont les principaux points qui divisent mm, Bien, permets-moi de revenir un peu sur un aspect évoqué par mon frère Mansour. Oui, euh, rapidement. lorsque, oui, oui, lorsque je donc de euh, des comportements de ceux qui nous dirigent est extrêmement important pour comprendre là où se trouve le blocage. Le comportement, euh, c'est les provocations de la partie gouvernementale. à partir, ah, à partir d'un certain nombre d'actes qui sont posés. Il a parlé tout à l'heure donc euh, des Et non seulement il y avait cela, de la part du ministère de l'enseignement primaire, il y avait également cette question de la Halcia, qui à un certain moment avait suspendu donc euh, de nombreux de nos camarades à qui on avait privé le salaire. Il a fallu euh, encore corriger pour dire que nous nous sommes trompés et les ramener. Il y avait encore cette affaire donc d'évaluation. C'est pour vous dire que vous voyez en dehors de la revendication, des revendications euh, des syndicats d'enseignants, et il y a également l'attitude du gouvernement. Nous disons où se trouve le blocage. De notre point de vue, le blocage se trouve au niveau de la partie gouvernementale. Comment pouvez-vous comprendre au moment où vous avez un engagement déjà avec vos partenaires, que vous n'arrivez pas à mettre en, exécution, que vous n'arrivez pas à appliquer, comment pouvez-vous créer encore d'autres situations de blocage Sinon, regardez bien euh, le dernier problème, l'évaluation. Lorsque le ministère de l'enseignement primaire nous avait approché par rapport à ça, nous sommes au niveau de, la synergie. Donc, cause Niger nous avons eu à faire des propositions au, ministre pour dire que, écoutez, vous dites que vous, vous voulez faire évaluation, nous sommes d'accord par rapport à l'évaluation, mais votre démarche telle que vous voulez l'inscrire, vraiment est en violation avec la réglementation en vigueur. Nous ne pouvons pas, parce que nous voudrons eh, faire une, évaluation, nous mettre en dehors du statut général de la fonction publique. Parce que le mot évaluation ne se trouve que dans le statut général de la fonction publique et au niveau donc euh, euh, du statut particulier des enseignants. Donc, si le gouvernement s'entête à vouloir faire une évaluation, nous avons dit qu'il faut se conformer à la réglementation en vigueur. Mais le ministère de l'enseignement primaire, comme c'est au Niger, les gens voudraient mettre leur orgueil en avant pour dire que non, moi voilà comment j'ai dit que je vais faire l'évaluation, même si cela est contraire au texte, je vais faire cette évaluation de cette façon. Donc, vous voyez, la volonté manque. Donc, au niveau de la partie gouvernementale, nous estimons que le gouvernement eh, ne voulait pas qu'il y ait la sérénité. C'est le gouvernement qui est à la base du blocage aujourd'hui. Comment pouvez-vous prendre des engagements et ne pas être en mesure de l'honorer Lorsqu'on est animé de, bonne foi, lorsqu'on prend un engagement avec le partenaire et que l'essentiel atteint, vous ne pouvez pas régler euh, l'engagement que vous avez pris, c'est des questions de bon sens. On appelle le partenaire, on lui explique les difficultés face auxquelles on est et on demande son indulgence. Et on comprend, parce que nous ne sommes pas des extraterrestres, euh. nous sommes des Nigériens, nous comprenons les situation du Niger. Euh. Mais nous ne pouvons pas accepter, et nous n'allons jamais accepter, qu'on nous explique et qu'on nous fasse comprendre que les problèmes du Niger doivent être seulement pris en charge par les enseignants. Ça, il est hors de question. il faut que cela soit clair. Alors, nous allons, nous allons donc euh, faire la bienvenue à, notre troisième invité, à l'occurrence Kassoum Issa, secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement secondaire. Bonsoir, Monsieur Kassoum Issa. Bonsoir. Merci d'être venu. Donc euh, la question <laughs> du jour, euh, c'est donc toujours cette question, c'est ces grèves répétitives des enseignants euh, du secondaire et du, primaire. à votre avis, qu'est-ce qui explique la persistance de cette grève à ces jours, malgré la signature du protocole d'accord du 13 décembre 2016 eh, Merci Studio Kalangou et bonsoir à nos collègues qui sont là en face. Et je pense que quand nous avons été invités sur ce plateau, c'était effectivement le sujet qui nous avait été présenté. C'était de voir s'il y a des chances de pouvoir encore négocier et de sortir donc, euh, du mutisme dans lequel euh, nous sommes plongés. Donc, euh, en recadrant ceci, ça me rassure beaucoup parce que nous ne sommes pas là pour discuter de revendications, mais de regarder ce qui fait qu'aujourd'hui, le dialogue est en panne. Parce que le dialogue, il existe aujourd'hui, mais il est en panne. Alors, je pense qu'il faut relativiser. Parce que vous savez, alors il y a un sage, père à son âme. Nous l'avons rencontré en 2005. C'était le feu Alpha Ismaël, donc, euh, qui, et qui fut le président de l'Association islamique du Niger. Alors, quand il était venu rencontrer la société civile, alors il dit que vous savez, on n'éteint pas le feu avec le feu. Et que s'il y a une bagarre, c'est deux personnes qui se bagarrent. Et le langage, par le langage, on peut tout arranger et par le langage, on peut tout détruire. Je pense que aujourd'hui, quand nous suivons nos amis du syndicat qui disent que c'est au niveau du gouvernement qu'on ne veut pas sortir, c'est au niveau du gouvernement que vraiment on pense que c'est aux seuls enseignants de faire le sacrifice, je pense qu'avant tout, nous sommes tous des Nigériens. Et nous vivons sur la même planète, nous vivons dans un même pays. Et les problèmes de l'école, je pense, c'est ça que nous avons en partage entre les syndicats, les enseignants et au niveau de la partie gouvernementale. C'est ça qu'on a en partage. Et lorsque il y a un objet commun, et l'objet autour duquel nous nous battons, autour duquel tout le monde se targue d'avoir la légitimité de défendre d'abord l'État représenté par le gouvernement, qui doit assurer la continuité des services publics, quel qu'il soit, que ce soit de l'éducation, de la santé, de la sécurité. Ça, l'État, c'est sa responsabilité. Les enseignants, d'abord, en tant que citoyens, qui ont un souci par rapport à leur pays. Les enseignants, deuxièmement, en tant que techniciens sur le terrain, et ensuite en tant que travailleurs et employés, qui ont aussi un devoir, donc, de venir répondre à certaines normes que leur impose d'abord leur statut de travailleur, et aussi d'être souple par rapport à certaines situations que leur statut de citoyen leur impose. Voilà ce autour de quoi tout le monde est d'accord qu'effectivement, il y a légitimité à s'asseoir autour d'une table parce que ce que les autres défendent, c'est ça que les autres défendent, alors là, on peut s'entendre. Maintenant, puisque l'objet est situé, ça veut dire que les intérêts sont là. Quels sont les intérêts des travailleurs Ils en ont plein. Les exigences, ce n'est pas aujourd'hui que l'école est plongée dans des problèmes avec la 7 ème République. Les problèmes sont connus. Il y a des questions salariales, il y a des questions indemnitaires, il y a des questions connexes Sur comme l'évaluation. Qui ont été mis dans, un, dans, dans, une plateforme. une plateforme, vous savez, une organisation syndicale, un syndicat ne vit que par la revendication. Donc c'est pour ça que le gouvernement reconnaît la légitimité pour un syndicat d'opposer une plateforme. Mais cela ne donne pas le droit à un syndicat de croire que ça tout ce qu'il a posé dans sa plateforme, on doit illico presto lui, de satisfaire. C'est légitime de poser des revendications. Mais aussi, de l'autre côté, l'employeur, c'est-à-dire, il se voit en devoir de regarder maintenant qu'est-ce qui est plus urgent, qu'est-ce qui est pressant, qu'est-ce qui est vraiment de façon très expresse et naturelle qu'on doit satisfaire tout de suite et qu'est-ce qu'on peut encore vraiment prendre pour l'amener donc à un autre calendrier. Malheureusement, c'est que en face, aujourd'hui, nous nous sommes surpris au niveau du gouvernement. Nous sommes surpris de voir que plus on règle des problèmes, c'est en ce moment que la situation du dialogue se complique entre nos partenaires et nous. Est-ce que vous, vous, avez, vous, voulez dire que le, le, le, blocage du dialogue et, mais le blocage vient du dialogue, des syndicats mais, mais il vient du syndicat parce que les responsables syndicaux que nous avons en face de nous, ils sont venus poser des revendications légitimes. Lorsque oh. le problème du salaire, par exemple, avait été posé. À terme le paiement de salaire à terme échu. Il y avait même des, endroits où les salaires étaient payés en retard. Il y avait même des retards de deux mois, de trois mois, ailleurs même de quatre mois. Le gouvernement s'est engagé dans le protocole à mettre fin à cela. Le gouvernement s'est engagé et il l'a fait. Lorsque le gouvernement l'a fait, et nous pensons que par rapport aux revendications syndicales, d'abord le salaire, il est crucial. Il est crucial. Maintenant, toutes les autres questions connexes, c'est des questions que nous pensons qui peuvent être traitées et réglées sans que vraiment on ne mette le feu comme on est en train de le faire. Parce qu'au moment où le salaire n'était pas régulier, n'était pas régulièrement payé, au moment où les enseignants enregistraient des mois d'arrêt de salaire de paiement dans certaines localités, nous n'avons pas connu vraiment tous ces tirs croisés et groupés sur l'école comme aujourd'hui nous sommes en train de le connaître alors que c'est maintenant des questions connexes qu'on sont en train de traiter avec nos partenaires. Monsieur le CG, e nous allons revenir à vous le temps d'évoquer cet autre euh, euh, aspect. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'importance du dialogue. Euh, on se rappelle qu'en début du, mois de mai, la FUSEN, la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation et le gouvernement ont entamé des négociations sur la coalition cause Niger-Sinaseb. Euh, Hassan Samna, de la cause, quelle est votre appréciation Bien, écoutez, nous, au niveau de la cause Niger, euh, que le gouvernement négocie avec la FISEN, que le gouvernement négocie avec euh, un autre syndicat ou un autre regroupement de syndicats, euh, il est dans son droit. Mais nous estimons que ce qui est important pour nous, c'est par rapport aux engagements que le gouvernement a pris. Et puisque euh, je voudrais le dire, il faut que nous le disions clairement, nous ne sommes pas en train de poser des revendications, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire. Nous, nous sommes en train de demander la mise en œuvre d'un accord qui a été déjà signé. Le 13 décembre 2016, le gouvernement a pris, c'est écrit noir sur blanc, un certain nombre d'engagements. Mais tous, ces engagements aucun ne point pas être réglés illico. Mais aucun point n'a eu une satisfaction totale. Il n'y en a pas un seul point. Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous sommes en train de, et c'est à juste titre, nous ne pouvons pas signer un document depuis décembre 2016 et que nous soyons aujourd'hui au mois de mai et que aucun point n'a eu un traitement, je dis, je dis entier. Il n'y en a pas. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, si le gouvernement estime qu'il pouvait avoir des solutions avec la fusée, dans tous les cas, ça sera au profit de l'ensemble des enseignants. Et nous, nous n'allons pas nous opposer par rapport à ça. Mais ce que nous demandons au gouvernement, euh, c'est de régler les engager, de régler les engagements qu'il a eu à prendre. Parce que ce n'est pas des nouveaux points, ce n'est pas des nouvelles revendications. Ce sont des engagements qui ont été pris et tout le monde l'a vu. C'est signé noir sur blanc. Comment pouvez-vous accepter qu'un gouvernement responsable prend un certain nombre d'engagements avec vous et que le temps passe sans que le gouvernement ne puisse les honorer Lorsque, nous voudrons rappeler, c'est extrêmement important qu'on rappelle que lorsque le gouvernement décide de régulariser le recrutement au titre des, années 2012-2013, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous sommes en 2017. On parle de régulariser, de, de parachever un recrutement au titre de 2012-2013 et que cela ne soit pas fait. Au niveau du ministère des enseignements secondaires, le, secrétaire général qui l'a évoqué tout à l'heure, nous voulons lui rappeler qu'au niveau du ministère des enseignements secondaires, il y a 1436 enseignants qui attendent, ça fait déjà 8 mois, attendent leur salaire. Quelle patience voulez-vous de nous alors, euh, mois, nous l'attendons. Et jusqu'à présent, nos camarades là n'ont pas eu la mise en solde. 8 mois, s'il vous plaît. Mais alors, vous avez vu certains secteurs, les, syndicats revendiquent, nous nous appelons ça même des grèves des ailes. Ce n'est pas le salaire qu'ils demandent, ils demandent même autre chose. Et nous avons vu comment le même gouvernement s'est activé de façon à pouvoir régler le problème, au lieu de s'acharner sur les enseignants, comme les fait nos ministères, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement primaire, en, prenant hache et coupe-coupe, en, coupant nos salaires de la façon la plus inacceptable, puisque souvent, nous nous arrêtons de, couper les salaires qui vont au seuil de 60, 80 000 francs. Les autres secteurs qui font la grève, aucun, travailleur ne suit une, telle grève. Comment le gouvernement, comment le ministère voudrait que nous soyons indulgents lorsqu'ils ne sont pas équitables avec nous. Nous, ce que nous demandons, c'est très simple. Vous avez pris des engagements, on aura les engagements. Mais tant que l'année court et que les engagements ne sont pas, respectés, c'est normal que notre mouvement se durcir. Ah désolé de vous couper, nous allons donner la parole à Mansour Adamou qui représente ici la FUSEN. Euh, donc je le disais tout à l'heure, au début de mois, vous avez entamé euh, des, négociations avec euh, le, gouvernement. Est-ce qu'on peut savoir les principaux points sur lesquels porter ces, négociations Est-ce que c'est des points autres que les points contenus dans la plateforme, dans le protocole d'accord du 13 décembre 2016 Merci beaucoup. Vous savez, euh, on tourne autour d'un pot, mais le débat nous impose d'en parler. C'est-à-dire que nous étions tous cause Niger et Sinaseb lorsque le communiqué conjoint du 13 décembre est intervenu. Et lorsqu'il est intervenu, nous sommes partie prenante de ce communiqué conjoint. Et lorsque euh, le problème de fonctionnement ou le problème de la marche ensemble est posé entre nous, nous avons estimé que nous pouvons être seuls, revendiquer les droits des enseignants seuls, et nous l'avons fait. Du reste, avant qu'il n'y ait au fait ce regroupement, nous avons toujours agi au nom et pour le compte des enseignants et nous avons, dans certaines mesures, trouvé des, des avantages pour les enseignants et enseignants. Donc, lorsque la rupture est intervenue, nous sommes allés de notre côté fusion et nous avons dit que le communiqué conjoint du 13 décembre nous engage et nous sommes partie prenante. Et c'est ça que nous allons rappeler au gouvernement et qu'il doit respecter principalement cet accord-là. Et c'est avec les mêmes termes que nous sommes allés déposer un préavis de grèves. Alors, nous avions été appelés, chose qui est tout à fait normale. Nous avons discuté autour de sept points et je vous dis que euh, tout de suite, nous avons euh, revu tous ces points-là, et que le seul point sur lequel la FISAN et le gouvernement ne s'étaient pas entendus, c'était l'affaire de la régularisation des recrutements de 2012 à aujourd'hui. Pourquoi Parce que effectivement, il faut dire qu'au niveau de, l'enseignement primaire, il se trouvait que euh, pour l'année 2012 et 2013, il y avait 346 enseignants qui attendent encore leur matricule. Alors que leurs homologues avec lesquels ils sont recrutés la même année ont déjà fait, connu des avancements automatiques dans leur carrière. Donc, ils ont déjà engagé le plan de carrière alors qu'il y a cette partie-là qui attend. Ce n'est qu'une injustice. Ce ne sont que des erreurs et le gouvernement l'a reconnu. Il nous dit tout de suite que d'accord, il va réparer pour cela là. Il va réparer et avec euh, l'attribution de leur matricule toujours au mois de mai et même leur mise en solde automatiquement dans le mois de mai. Ce mois de mai. Ce mois de mai. Chose que nous avons euh, applaudi. Mais nous avons dit, ce n'est pas que ça. Il y a 4220 autres enseignants qui ont été recrutés en 2014. Alors, ces enseignants-là, quel est leur sort Et c'est en ce temps que le gouvernement nous a fait savoir que certes, il avait pris des engagements en, décembre, 2016. Euh, en décembre 2016, mais qu'il se rend compte au fur et à mesure qu'il avance qu'il ne peut pas honorer à ces gens. D'accord, on comprend, nous sommes dans le même pays, mais il ne nous revient pas nous syndicats, d'aller dire que l'État est en panne de moyens financiers pour faire face à ça, mais allez-y vous en tant que pouvoir. faites la campagne, faites, dites tout ce que vous voulez au Niger, que vous n'avez pas les moyens. En ce temps, nous reviendrons pour signer avec vous que oui, puisque vous avez reconnu que vous n'avez pas les moyens, alors Donc finalement, il n'y a pas eu d'entente. Non, ce point-là. Sur ce point, on n'a pas eu d'entente et nous avons estimé que nous ne pouvons pas commettre cette injustice-là. À ces 1400 38 enseignants du secondaire, auxquels on a déjà donné des matricules, on les a mis en solde, puis on a retiré. On nous dit en face, le, gouvernement nous dit que oui, il s'est rendu compte qu'il y a une injustice parce qu'il y a ceux qui sont du secteur primaire qui n'ont pas eu les matricules. Alors que de l'autre côté, on dit, mais écoutez, est-ce que lorsque le ministère des enseignements secondaires et au pas, alors que celui de l'enseignement primaire ne l'est pas. Est-ce que ça, c'est notre, euh, c'est notre responsabilité C'est à eux de réparer les, torts. Monsieur, Monsieur Kachum, secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, une réaction euh, aux propos des deux intervenants D'abord, euh, vous savez, c'est-à-dire les négociations, elles imposent des compromis. Parce que, les deux parties que, doivent absolument deux parties. Et quand j'entends mes, amis des syndicats dire que le gouvernement doit honorer, mais le gouvernement peut bien prendre des engagements. Et de tout temps de gouvernement, les employeurs, ils ont toujours pris des engagements. Mais selon des situations, on peut penser aujourd'hui à un instant T qu'on peut honorer telle chose à tel moment et que les choses ne se passent pas comme on l'a pensé effectivement, après, on est obligé de chercher des compromis acceptables avec euh, le partenaire. Ce n'est pas une honte et ce n'est pas une défaite. C'est le pays, ceux qui sont là en train de le gérer. Ceux qui l'ont géré auparavant, depuis l'indépendance, ça a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu un gouvernement au monde qui est venu pour dire voilà, tac, tac, tous les engagements et que quand on vient maintenant à l'instant T, on trouve que tout a été parfait. Donc, ce qu'on souhaite, c'est cette perfection. Mais je pense que aussi, les négociations appellent toujours à la meilleure solution de réchange. Quand on ne parle pas de la meilleure solution de réchange, on ne peut pas se mettre autour d'une table de négociation. Et, puis maintenant, nos, nos amis aujourd'hui, vous voyez, ils parlent même froidement, c'est-à-dire de ceux qui les opposent. C'est-à-dire qu'ils étaient un cadre de cause. Maintenant, le même cadre-là, que nous avons accepté avec toutes les difficultés, parce que nous, on a même voulu vraiment que ce soit un cadre très officiel, très légal, mais malgré tout, le gouvernement a accepté de venir s'asseoir sans même qu'il ait des textes de déclaration, de constitution de ce cadre-là. Le gouvernement a accepté de continuer à négocier. Aujourd'hui, la FISEN, elle s'est retractée. Moi, j'aurais même aimé voir aujourd'hui ceux qui sont restés à cause, bien qu'eux-mêmes ne doivent plus maintenant rester, à cause, ils devraient retourner dans ces places, je crois. Parce que cause, c'est avec FISEN qu'on fait cause. On ne peut pas faire cause s'il n'y a pas de FISEN. Malgré tout, maintenant, encore nous avons vu au niveau des revendications, même certaines revendications que la Fusane avait essayé de, reprendre dans, son, sa plateforme, je pense que c'était initialement des revendications de ses phrases. Donc, ce qui nous mettrait, nous, très à l'aise, c'est de voir d'abord nos partenaires eux-mêmes accepter un débat interne, parce que vous ne pouvez pas venir au niveau du gouvernement nous imposer une certaine conduite. Alors que quand nous, nous sentons que même vis à -vis de vous-même, il n'y a pas, à dire, un débat interne, qui nous rassure. C'est-à-dire quant à où partir, qui nous rassurer, parce qu'il faut que le gouvernement soit rassuré de celui qui est en face. Mais malgré cela, le gouvernement a quand même accepté. De Alors là, c'est évidemment euh, pour prendre à contre-pied ce qu'on est en train de dire sur notre gouvernement que nous ne voulons pas négocier, que nous ne respectons pas les partis. vous voyez, malgré tout ceci, je dis que le gouvernement, toujours, il fait preuve vraiment d'ouverture et accepte de venir s'asseoir pour discuter avec les syndicats. Nous entamons la deuxième partie de cette émission avec les conséquences immédiates et secondaires de ces grèves sur euh, l'éducation à ce sujet. Je vous propose de suivre euh, un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé Mamadou Salif Abrahman, qui est le secrétaire général de la section collège et lycée de l'USN, l'Union des scolaires nigériens. Il exprime toute son inquiétude. Vraiment, la grève des enseignants, là, je peux dire, ça impacte beaucoup sur l'avenir de nos camarades. Puisque aujourd'hui, même si on a des classes, on vient à l'école sans enseignants, je pense bien, les élèves ne seront pas utiles. Donc par rapport à ça, on envisage de notre côté comment faire pour appuyer nos enseignants, pour pouvoir faire en sorte que, puisque du fait que le problème des enseignants soit solutionné, ça nous avantage, puisque l'année tire à sa fin. Et c'est le moment important que chacun de nous, les enseignants, les élèves, doit s'y mettre pour voir comment achever le programme, puisque cette année, le secteur éducatif a connu autant de perturbations venant de gauche à droite. Comment est-ce que vous, scolaires, vous comptez les aider Est-ce qu'il faut encore lancer d'autres mots d'ordre de grève euh, L'année tire à sa fin ou est-ce que vous avez déjà pensé à la stratégie Bon, à l'état actuel, nous sommes en réflexion de voir quelle euh, mesure nous allons entreprendre pour pouvoir trouver une solution par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons jamais accepter de condamner nos camarades de les laisser comme ça, les enseignants sont en grève. C'est pas parce que nous, de notre côté, nous n'avons pas de revendications que nous allons fermer les yeux comme ça. Il faut qu'on fait de notre mieux. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la grève répétitive des, enseignants Bon, ce qui nous vraiment perturbe un peu par rapport à leurs revendications, je pense que leurs revendications sont très légitimes. Mais quand même, ce qui nous perturbe, c'est du fait que de voir on n'a pas pu terminer les programmes on constate dans des écoles où il y a les classes, les classes qui, sont, qui vont faire euh, les examens de fin d'année n'ont pas pu voir les tiers même des programmes à l'état actuel. Donc, dans deux mois, comment on peut faire pour finir les chapitres qui sont là devant nous Mamadou Salifou Abdraman, secrétaire général de la section collège et lycée de l'ISN. Alors, comme a-t-on coutume de dire, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Euh, Hassan Samna, euh, comme vous l'entendez, est-ce que vous mesurez toute la gravité de la situation de l'école Oui, euh, nous, nous, sommes conscients. Euh, mais c'est ça le problème que nous avons, c'est que entre Nigériens, nous devrons avoir le courage de nous parler et de nous dire certaines choses, surtout de nous parler vérité. Aujourd'hui, quand vous entendez le gouvernement parler, vous entendez à travers ses représentants, que ce soit au niveau des régions jusqu'au niveau des écoles, parler de 70 à 80% d'exécution du taux. Il parle. Quand lorsque nous avons suivi récemment. Quels sont les chiffres que vous, vous, avez Quels sont les chiffres dont vous disposez Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on ne pouvait pas dire que les élèves ont dépassé les 50% des programmes ça nous étonne. Mais on peut penser que, nous, nous quand même à 50 Non, non, non. ça, dépend des localités. Puisque souvent, en dehors des grèves que nous lançons au niveau, au niveau national, il y a souvent des, grèves au niveau des régions. C'est pour dire que eh, véritablement, il y a un problème. Et nous, et eh, que, que ce soit celui-là ou les autres, nous disons que le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que les gens se disent un certain nombre de vérités. C'est extrêmement important. Nous sommes entre nous, Nigériens. Qu'on dise qu'aujourd'hui, véritablement, ça a impacté. Mais comment allons-nous faire pour qu'on puisse rattraper cela. Pour vous, c'est important de reconnaître. Voilà. Ce Mais que, oui, tout à l'heure, mon camarade Mansour avait dit quelque chose d'extrêmement important. Si le gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent, il n'a qu'à sortir le dire. Ici également, que le gouvernement accepte que les chiffres erronés qui sont en train de, balancer, que ça ne va pas dans l'intérêt de l'école, d'arrêter cela et de dire que véritablement, il y a un programme à parachever. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on cherche de la qualité au même moment où on vient au lieu de reconnaître que le programme n'est pas exécuté au temps réel, on colmate, on paie des bricoles, puis on vient, on, plaque cela comme si on, trouve un plaisir en, disant des contre-vérités aux Nigériens. Donc nous, nous estimons que si le gouvernement reconnaît qu'à ce niveau, il y a des choses à faire, on peut le régler. Mais si déjà ils disent que nous sommes à 80% ou 90%, est-ce que nous, nous avons des efforts à faire Nous ne pouvons dire que et, souhaiter donc euh, bonne chance donc à nos jeunes frères. Mansour Adamou, de, la FUSEN, euh, le taux d'exécution des programmes. Euh, vous savez, cette question-là. Euh, L'année tire à sa fin, c'est important. C'est important, effectivement, de faire le point de cette situation-là. Et nous, on ne rentre pas dans ces débats de, de, chiffres. Vraiment, on ne rentre pas. Mais nous reconnaissons qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Et c'est ce qui reste à faire là. Il faut, le dire, hein, sans risque de se tromper, que l'année 2016-2017 n'a rien à envier aux années précédentes. Positivement ou négativement euh, Dans tous les deux sens. Elle n'a rien à envier aux autres. Parce que regardez, euh, si cette année, on veut porter la responsabilité sur les syndicats des enseignants parce qu'ils ont observé des mouvements de grève alors qu'ils réclament leurs droits. Mais les années antérieures, toujours au, mois de mai, vous faites euh, en tant que journaliste le tour des écoles. Et vous avez toujours des chiffres qui sont donnés. Et ces chiffres-là sont les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a lieu de se poser la question. Qu'est-ce qui arrive à cette école-là Et pourquoi il faut toujours, au dernier moment, on veut faire le sapeurs-pompiers, on veut courir de gauche à droite pour vouloir sauver ce qui aurait pu être euh, sauvé ou ce qui aurait pu être évité depuis la rentrée donc voilà un peu euh, le problème comment il se pose. Et pour, pour réparer ça, je vous dis que la seule ici. Nous allons revenir. nous allons revenir euh, à, dernière partie euh, sur les mesures urgentes à prendre. Mais je m'en veux donner la parole à, Kassou Kassoumissa, secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement ah, secondaire. Le spectre d'une année blanche plante toujours sur nos têtes. Quelles conséquences en cas d'année blanche Imaginez-vous déjà avant la rentrée, quand nous lançons même la rentrée il y a un syndicaliste autour de la table dans le cadre de concertation pour l'enseignement secondaire qui nous dit que si le gouvernement ne veut pas d'une année blanche, il faut, il faut, alors qu'on n'a même pas lancé la rentrée. Donc ce mot année blanche, on l'a déjà entendu. Le jour de la rentrée, on a vu un de la section collège et lycée qui reprend le même refrain. Si cette année, le gouvernement ne veut pas d'une année blanche. Et ensuite, nous avons vu encore même des partis politiques juste au mois de novembre qui disent déjà on est en Pour vous, c'est prémédité. Mais s'il vous plaît, mais comment vous pouvez avoir une obstination Et regardez, il y a quelque chose, heureusement que j'ai suivi Mansour, qui a esquivé un peu, parce que un syndicat d'enseignants, je pense que les enseignants ne vont pas en grève pour faire mal aux enfants. Ils ne vont pas en grève pour détruire leur outil de travail. Ils vont en grève, c'est pour manifester. La grève, c'est une manifestation. Ce n'est pas pour faire mal au système. Euh, Mais lorsque aujourd'hui les syndicats veulent engager un débat avec ceux qui contrôlent le système, ceux qui régentent le système, qui donnent des chiffres qui leur viennent des classes, qui leur viennent des classes, qui donnent ces chiffres-là, leurs propres camarades. Maintenant, vous, vous êtes là dans Niamey, Ali est là, Mansour est là, et tous ceux qui nous entendent sont là. Mais imaginez la supercherie. On dit qu'on va en grève, automatiquement après, des enseignants disent que bon, on va faire semblant, et on revient dans les classes d'examen, on reprend. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui dit non. Nous, on veut discuter avec vous, les syndicats, parce que le problème, c'est quoi C'est que mon vient de dire que les années-là sont presque les mêmes. C'est la question du niveau des élèves. On n'a pas besoin de faire semblant lorsqu'un élève est en troisième pour dire qu'il faut donner le niveau, c'est depuis qu'il est entré en sixième qu'il faut travailler pour que cet enfant-là puisse vraiment avoir l'exécution parfaite de son temps vraiment scolaire. Mais lorsqu'on s'amuse avec tout ça et on accepte, aujourd'hui, moi, j'aurais aimé que les syndicats posent le débat avec leurs propres militants. Que ça dit pourquoi on fait ceci et les militants disent que non, ils vont sauver parce qu'ils ne peuvent pas fermer les yeux sur des classes d'examen. Et aujourd'hui, je pense que les résultats dont parle Mansour, effectivement, parce qu'un élève qui a été mal enseigné en 6e, 5e, 4e, ça rattrape. Et nous, c'est ça qui nous préoccupe. Mais les chiffres qu'on vous a donnés, je vous assure, à l'heure où je vous parle. À vous pouvez nous rappeler chiffres Vous pouvez nous rappeler les chiffres C'est que nous avons des établissements qui ont exécuté 80% de leur programme. Et ça, je vous parle déjà de l'autre semaine, il y a deux semaines de cela. Des, des établissements qui ont exécuté ça dans certaines classes. Et nous avons suivi même par médias des élèves qui ont dit qu'il leur reste qu'un chapitre en ceci, en terminale, hein. d'autres en troisième, qu'il leur reste un chapitre, deux chapitres. Donc ça, je pense que ce n'est pas nous qui avons inventé ces élèves-là. pour vous, à secrétaire pour vous, l'année, va être bien, bel et bien Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, le débat qui nous oppose au syndicat, c'est la question du replacage du système par rapport à la qualité de l'enseignement. Et cette qualité, elle passe d'abord par le respect du temps scolaire. Et donc ces perturbations-là, le gouvernement ne peut pas nier que les perturbations aient un impact sur l'enseignement. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas sur ce débat. Nous ne sommes pas sur ce débat. Aujourd'hui, nous, que les enseignants exécutent 90%, 100%, en avril, dans le cadre d'examen, ce n'est pas ça qui préoccupe le gouvernement. Le gouvernement veut un enseignement de qualité et c'est pour cela que ces enseignants-là, qui aujourd'hui, Aliou l'a dit, que ce soit au niveau national, au niveau des régions, il y a même des enseignants à partir même du 30 ils n'ont pas leur salaire, ils arrêtent de faire le cours. Jusqu'au 10, le 15, quand ils vont avoir le salaire, ils reviennent. Et tout ceci-là, nous ne nous disons que, OK, quand euh, Ali aujourd'hui dit que eux, ils que nous devons nous dire la vérité entre Nigériens. Rapidement, en une minute, en une minute, je vous dis qu'entre Nigériens, on va aller sur les solutions. En 30 secondes, c'est que aujourd'hui, quand moi, je viens, je me permets d'arrêter le cours, je fais ce que je veux. Mais parce que simplement, je dis que le gouvernement, l'État, selon la localité, j'ai un retard de une semaine, de cinq jours, de dix jours sur le paiement de mon salaire. Mais pourtant, de octobre à octobre, il n'y a aucun enseignant à qui l'État doit un franc. C'est-à-dire que les enseignants, eux, ils ont engrangé 12 mois sur 12. Ils n'ont pas de salaire. Mais les élèves, eux. SG, quest le gouvernement est prêt à faire pour, alors, pour que. Le gouvernement, ce qu'il est prêt à faire aujourd'hui, c'est que les alliés aujourd'hui, les mensonges, que ce soit Fusain, que ce soit Sepraz, Cause, Sinaseb, que tous réalisent qu'ils ont une responsabilité par rapport à l'école. Et, cette responsabilité, c'est ça qui nous oblige à accepter un consensus, à accepter des compromis. Et eh d'arrêter ben, les grèves. Mais, s'il vous plaît, est-ce que la grève, c'est quelque chose d'abord qu'un syndicat n'a pas que, que la grève à faire Monsieur Alio, Hassan Samna, cause Niger, qu'est-ce que vous, en tant que syndicat, vous êtes prêt à faire à la veille de la fin de l'année pour que euh, l'année puisse en tout cas euh, terminer, euh, se Bien, je voudrais simplement dire. vous n'avez que 30 secondes. oui, oui, en 10 secondes, que la qualité ne nous oppose pas que ce soit les enseignants et le gouvernement, nous sommes tous pour la qualité. Ça, il le faut. Ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, par rapport donc vraiment à l'année, notre souhait, c'est ce que nous avons dit et nous continuons à le dire. Nous voudrons à ce que, avec nos partenaires, qu'il y ait un langage franc, qu'on vienne et qu'on se rende compte qu'on nous dise pourquoi nos revendications ne puissent pas être prises en charge. Mais est-ce que vous, serez prêt, est-ce que vous serez prêt à faire le compromis par rapport à certains points de, Mais pourquoi pas Aujourd'hui, nous les avons déjà dit, par exemple, par rapport à la grille salariale. Nous, nous avons dit que nous sommes d'accord que aujourd'hui le Niger, nous n'avons pas assez de ressources. Nous pouvons déférer l'octroi de la grille salariale jusqu'à ce que les conditions soient meilleures. Mais il y a un minimum mmh. sur lequel nous ne pouvons pas fléchir. Nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'il y ait retard dans le paiement des pécules de nos camarades. Nous n'accepterons pas les recrutements des années 2012, 2013 et 2014. Ça, nous ne pouvons pas accepter cela. Et il y a également les abus dans le ministère et toujours, dans nos ministères. Mansour Adamou, vous avez 15 secondes pour, pour conclure. Pour conclure, moi, je pense que... Qu'est-ce que vous, en tant que syndicat de la FISEN, pour, la pour la nous, on a même fait déjà et ce qui reste à faire, il est du côté du gouvernement qu'ils disent clairement à travers des médias qu'il n'y a pas de l'argent, ils ne peut pas mettre les 4220 enseignants du primaire. Et s'ils le disent, vous, le disent, on va revenir, on signe le protocole d'accord avec eux et on respecte les autres points. Mais il faut que ça se passe dans le respect du partenariat parce que on ne comprend pas. on s'entend ce soir, demain vous coupez. 98 à 2000. 2009, il n'y a pas eu un seul enseignant recruté au Niger. Hein? nous sommes 18 h 18 18 passées de 59 minutes. Nous sommes à la fin du forum de ce soir. Nous étions en compagnie d'Aliou Hassan Samna, co-coordinateur de la convergence cause Niger, euh, Mansour Adamou de la FUSEN, et Kassoumissa, secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement secondaire. Présentation à Lassane Kouzi Mamadou. Réalisation Diallo Boubacar et à la technique Abdoulaye Bunga. Rendez-vous demain même heure, même fréquence pour le forum de la presse avec Rahilatou Soumana.